unité li ñu bokk tax foog ñu nekk benn lépp yi ñëpp lu ney ku ne nga ca kon réew mi ci nga bokk te liñ mën a séddoo mooy Sénégal kon moo ñu def fii mbook rafetul tur fi samalit mi naan ñu mbeddum buur ay e rafetul sànni sa médi ci canal bi naan ñu mbeddum buur nawet ba ngi ñëw yàlla ndox mi wàcc te bañam ànd ak ñuy sàmm yoonu ndox mi ku ne war na laa ñor maam yàlla may ñu ndox mi wàcc fépp naato ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ci fegu jëm nawet a sa laat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mën da maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naato ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ci fegu jàppal ma jàpp mën naa tax ñu ci mën na onof jóg na ca teel te giy pexe fegu jëm na wet jóg ngir yee salaat réseau bi ndax kaaraanga gi nekk sa wet ñu ci région yëpp di def opération pré-hivernage débouché canal yi ndax mën na mi ba ñu tee otage jàppal ma jàpp dafay war kenn ku nekk ci ñun ñu bañ ci sotti mbalit mbaa suuf te bu sakkee dunu ko muñ ñu dakkal branchement clandestin yi loolu jaaduwul muy garage wala marché ñu bañ ci tabax ci kaw régal yi Kondiri ñun ñoo ko bokk e eh, nan ko sàmm waay na ku ne sax ci li ko war mooy jàmmi ñépp waay maam yàlla may ñu ndox ba muy wala ngaan ndox mi wàcc ci fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ma mucc ci mënd maam yàlla may ñu ndox mi wala nga ndox mi wàcc fépp naatoo a ak jàmm la ñuy ñaan onance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax mu mucc ci mëndal bu ñu jubee nawet li yëpp ci askan wi tiit onance a ngi def waree fa mais foog ñenn ñi nekk nit sekkar ñi kanaal yi defar ba mu baax ne ko ràpp tëj ki sàcc kubéer ki sotti ca balit mu indil ñu mënd lépp lëj kondiri buñ ko fàttee mu def bouchon ndox mi génn salté def tata suñu buntu kër yi indil ñu problème mu santé ay na yoween jamono ngi dox ba nit ñi ëpp doole réseau bi mais am nay projet ngir yee salaat ñu méngoo maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan olance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mën da maam yàlla may ñu ndox ba muy walangaan ndox mi wàcc fépp naatoo ànd ak jàmm la ñuy ñaan olance mu ngi ci fegu jëm nawet yee salaat jàppal ma jàpp mën naa tax ñu mucc ci mën da aouzu billahi samil alim min a rajim ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal kedd ku nekk fi nga nekk ñu fekk la fa jox la loxo nuyu la ziar la jaajëfal la bu baax a baax euh, di dem Touba di ziar sëñ Muntaqa Mbàkke Bachir di ko ñaanal yàlla subhaana taala yàlla yàlla may ko fan wu gudd lool te mu ànd ak wér di dem euh, Tiwaawan di ziar sëñ Babacar Si Mansour di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla may ko fan wu gudd lool te mu ànd ak wér di ñaanal papa Mahi Niass fële ci Medina bay di ko ñaan yalla ko yalla bay fanu wu gudd lool te mu and ak wër di dem ci lewna ñassé nak euh, wa pir ko Koki di dem ci daaka bi di dem omar Omarienne di dem ci yof jamalay di dem ci ñepp euh, di ziarale en même temps l'église catholique donc di ñepp di am mbégte ak nakar jakarlo yeen tay ci direct bi fasiyene yéene waxtaan ak yéen weccoo ak yéen ci li nga xam ni mooy xew-xewu jamono ji bu ñu waxee xew jamono nag dafa am loo xam ni xel dafay màcc jëm ci loolu mooy suñu jigéen muy jàmbaaru fàq tëdd gi nga xam ni góorgóorlu na ci góorgóorlu boppam fadaradul dara mu fexe ba liggéey mais ça son bi on parle de son ñooñu sa grince

Allô, allô un très bon retour donc euh, c'est mieux maintenant ok c'est bon donc euh, nous avons am nakar di am mbégte jàkkaarloo ak ci xibaar boo xam ne it depuis fajar gi ba léegi wala depuis guddi ba léegi ñi ngi koy ñi ngi koy dégg di ko gis mu nekk loo xam ne neexul kenn wax dëgg yàlla euh, muy suñu jigéen suñu sœur muy Maimouna Ndour Faye ci jigéen boo xam ni amul lenn loo ko mën a wax teg ko ci daram lu dul góorgóorlu na nekk jàmbaaru fàq tëdd fexe ba teg li nga xam ne mooy entreprise yu boppam ay nit ne ko li nga xalaat doo ko wax wala booy demee bay wax it li nga bëggu ñu wax ngay wax gis naa ci ndaje bi amoon sànq fële ci 7TV gis naa Maimouna Bousso gis naa ñenn ñi dem foofu mais léeg-léeg nit yaakaar ne moo gën a yeewu nit yi xam nga boo seetloo lan motax tax attaqué wuñu Pape Alé Niang lan motax attaqué wuñu journaliste wal fajri lan motax tax nañu di attaqué TFM ci semaine yu yep, yépp Maïmouna Ndour a été victime de menaces d'insultes d'insanité d'arrogance mais cela ne nous surprend pas venant des gens d'en face, ça ne saurait surprendre le commode Sénégalais. Parce que la dictature de la pensée unique ne date pas de 2024. Depuis 2019, par l'insulte, l'arrogance, l'injure, une partie qui benn qui dëkk bi boo xalaatee waleef li ñu xalaatee daañ la saaga daañ la tiital wala ñu jéem la yàqatal mais mu du Ndour Faye a été de cela nit ñi alerté nañ ba sonn nit ñi wax nañ ba sonn malheureusement tey jii mënoon na ci ñàkk bakkanam dañ leen wan ginnaaw gis naa it ñi koy layal ci ñoom di wax ni avons arrêté ay nit fii wala ay nit faatu nañu wala nangam nangam pour justifier l'agression barbare à l'encontre d'une femme mais bu ñu c'est le même groupe le même tas d'ordures la même racaille qui s'est attaqué à Djibril Abissar, qui s'est attaqué wala qui a menacé Mati Pomp, qui a menacé Memnoun Ndour qui menace les femmes au fait ils n'ont que faire de la femme xam nga ku taxaw ne diw moom a gënal sama ndey ak sama baay kooku ku taxaw ci kanamam faalewu la ku taxaw ci kanamam tekkiwoo dara loolu moo am suñ jamono ji donc mooy temu live bi Maimouna Ndour Faye victime de la barbarie à l'aube d'une amnistie tey même Maïmouna Ndour fay est victime de la barbarie des barbares des barbares yo xam ni seen kilifa moo c'est le temps des gladiateurs le temps du combat mortel et le mot n'était pas de trop kon tey li ñu def rek nous dañoo wuyu ci li nga xam ni dañ leen ci woo nampatal leen ci parti boobu ñuy woowee ex-Pastef dañoo juddu ci violence ñu nampatal leen qui violence nous ñu pas violences. violence qu'en est-il de l'État qu'en est-il de la responsabilité de l'État face à cette barbarie face aux nombreux appels au monde bërki Dembo Ndiaye Assane président de la République il dort tranquillement chez lui il n'est pas inquiété et au nom de la décrispation dañ koy nous piétiner wala en même temps la conscience et ses dispositions kon buñ nous ba toll il y a lieu de revenir si li nga xamante ni quel sénégalais ou bien quel nouveau type de sénégalais avons-nous bâti depuis 2019 à dix Vous savez, nous xam nga ni la fois dernière nous avons ko ni moi je suis pour le dialogue, mais je suis contre l'amnistie. Parce que c'est des barbares, au fait. Les barbares, les animaux, les gladiateurs sont faits pour les rings, pas pour, le, pas pour la vie publique, pas pour la vie politique. Les animaux sont bons pour la forêt, pas chez le commodé des humains. Il faut nettoyer le pays de la racaille réew nous il faut le nettoyer de la racaille personne n'est dupe on sait tous d'où viennent les agresseurs de la journaliste même Ndour Faye ñun ñëpp xam nañu fan la defkatu ñaawteef yi la dame la fan lañ jugé. cet acte odieux est lâche est un modus operandi de l'ex-pasteur qui a semé les graines de la violence dans notre pays. Après les insultes et les menaces, il n'est pas surprenant de les voir passer ensuite à l'acte. gis nga Nous avons théoriser nous avons théorisé, du ñuy théoriser di wax di à un moment donné dem ba tal bis bu def ay nit ay journalistes layal len une société civile affole qui n'a pipé mot face à cette barbarie ceux-là qui se targuent d'être des défendeurs de la race humaine les droits de l'homme les cris de Oumi Keltoumi Diallo devraient toujours sonner dans l'oreille et de Tine, de Mounia Sissé et de Sedi Gassama. Aujourd'hui, les plaintes de Maïmoun Ndour Faye devaient sonner dans l'oreille complice de ces droits de l'homiste qui ont allaité cette racaille, qui ont nourri cette racaille, qui l'ont entretenue par l'hypocrisie et le nafiquisme. Donc, si nous savons, nous On va vous proposer une série de vidéos, vous di xam ni lii yàgg na ñu koy mébét ñu dem déglu ko ñu ñëwaat. 621 621 de. bind bind naa ko. 641. waaw voilà mu ngi bind. Eh, jëlal bu na ko iso iso werdan bind na ko waaw góor gi dafa juum voilà léegi dem à l'acte gis nga ñu toog un mois yu nekk ñu taal benn kër soit député PDS wala. ñoom sen yoy la PDS ak pa yi demone ci dialogue bi ak chef de quartier yi ñu joxoon 4-4 yi 4-4 nerve yi bu len ko faté chef de quartier yi ñu joxoon 4-4 nerve yi wa 4-4 yoy dañ ko mën ta tax ñu ngi takay ok. cocktail molotov rek romb guddi gi toj wut mbuss essence sanni ci bir dox sa dox maskew dem sa yoon kagul li li lii yomb na mais ñun dañu bëgg a jël affaire bi yépp teg ko ci wax sénégalais yi ngay dimbali kenn faalewu la te pourtant am nañu dogu ñu nekk biir Sénégal ñoo xam ne mën nañ def liggéey bi de ñun financement yi mën nañ leen ko jox man ku ci pare rek léegi moom li may bañ mooy dëpp ma di ma kii ginnaaw laay bañ man dama bëgg ma jiital la boo defee rek woo ma ne ma def naa nangam ma financé la nga génn nga dem sa yoon xanaa loolu yomb na. yomb gis nga euh, nu mu tuddati kër juge Demba Kandji moomu comme que jege naag marché ba def leen une pierre deux coups lakk leen marché bi lakkaale kër juge ba affaire bi jeex voilà marché ba yàgg na yaay booy yi ci suuf la ñuy jaay lakk leen marché ba lakkaale kër juge Demba Kandji affaire ba jeex. salaamaaleykum euh, appel Casamance. mais lu tax euh, gars yi reyuñu doomu xaraam bi. Maïmouna Ndour bi dañ ko war a rey ndeyam doomu xaj bi lu ñu door ko boo pare bàyyi ko dañ ko waroon a rey ndeyam parce que ñi ñoo xam ne Macky moo leen rey ñoom ñoom moom ak Macky Sall gënu leen doomu xaram bi dañ ko war a rey taal ko ba mu mu jeex ah ñi ko laal ni waa yow defu liggéey bu baax waay dañ ko war a rey doomu xaj bi yow ñu rey ñu rey doomu jàmbur nga nekk fi du wax di n'importe quoi doomu. Maimouna Ndour fay dégg nañ li nga wax ci patriote yi détenu détenu politique yi nga xam ne waruñu woon a def une si kasa bi ndax ñi rey xam na xam nga leen yow senegal yi xam nañ leen am na si bii Macky Sall di wax xam na li tax mu di ko wax kenn ku ko bëgg ci réew mi ku dul moom ak waa APR amul Maimouna Ndour Faye fay bu nu amee si jot dina ñëw ci yow dañoo amul sa jot nag. fi mu toll dañoo focus pour jot ci sunuy élection ñun sunuy élection ñu ñor yi ngeen détail yi ngeen nekk yëpp nekkuñ ci may mun a ndur fay Ismaïla Madior it gis nañ ko kanam ko fasu googu nëb dërëm naan euh, amnistie bi Ousmane Sonko bokk ci ndokk yow bala Macky Sall recruter ba léegi amul ndam ci tooxi doon rek lay dugal lay dugg pont baraag bu mu dugal tànk ba pont yi jam ba tas mu génn tànk yi dugal ci beneen baraag bu ëppi pont boobu yow Ismaïla Madior Ousmane Sonko mës sa bëgg a amnistie ko

donc l'IEP, c'était prévisible Si tu l'as tu donc on sait tous d'où viennent les agresseurs de la journaliste Mme Dufay. cet acte odieux et lâche est un modus operandi de lex pasteur qui a semé les graines de la violence dans notre pays Clédor Sen tok na ñëpp di dégg ñu jox ko micro il racontait comment il faisait exploser les véhicules ñun ñëpp cocktail Molotov buñ ñu ko doon santale c'est pour d'autres pays la jeunesse sénégalaise a su ce que c'est que le cocktail Molotov ndawi Sénégal xam nañu lan moy cocktail Molotov xam nañu nuñ koy defaree xam nañu jumtu kay ñu utiliser pour lor sen moroomu sénégalais ci parti bi la ko ci parti bi ngeen gis nit tal directam ne nañu dem attaquer juge Demba Kandji taalaale marché bi taalaale kërëm ñom ngeen di dégg ñuy wax ñu tal bus ay nit dé ci ministre leen jëlee taxaw du wax ñu né carrément complot la le teesu complot moy teesu populiste lo yëkëti ñu ne complot la donc ginaa ba ñu saagaa ba nuppi saaga xalif généraux saaga institution réew mi menacé ay jaam ay sénégalais menacé leen lan moo mën a jaaxal sénégalais yi bu ñu demee bay jàpp ay jigéen di leen fitnaal coow Sénégal fu mu bàyyee ko ci coowal seen leader ñoom ak benn xale bu jigéen qu'est-ce que Adji Sarr n'a pas entendu lan la Adji Sarr déggul ci menace nan lañ ko vilipendé nan lañ ko jëlé traîner ko dans la boue tek ko ci vindicte populaire bi di joxe ay numéro téléphone diko menacer une femme une jeune femme de 21 ans ou bien moins saga nañ ko à l'Assemblée nationale Amy Ndiaye Gniby a été victime de coups de pied wiq ñu ne dafa ëmb ñu génnaat tele ne ëmbul wala sax bu ëmbé ji jëkërëm jëkkëram ko et vous voyez comment il fonctionne Aminia Nibi est là une autre dame Ousmane Sonko moo génn au lieu de compatir mais dafa gën a jël femme bi di ko gën a comme ni mu jëlee woon Adji Sarr traité ko de gënoo de dangin Nous la traité Amy d'adultère ko hôpital sans soucier les sœurs Diallo lorsqu'elles ont été brûlées vives dans un bus sans remords sans clémence Amour clémence ben nous sentir ils ont brûlé le bus des gens sont morts ils ont crié au complot sans remords la presse avec tey c'est au tour c'est le tour de Maïmoun Ndour Faye dans son sang Nous jam et au même moment un enfoiré qu'on appelle Diop Taïf et sur un plateau un journaliste tiim que muy wax il ko neex di a chargé femme c'est ce qu'on appelle la racaille donc qui avait menacé la TFM Quand moo fi menacé la TFM qui avait attaqué la RFM et brûlé les véhicules de journalistes ñan ñoo ban leader politique moo fi journaliste simple micro sanni. ne Ousmane Sonko il était le premier ensuite est venu ñeneen ñi Il a dem attaqué RFM Talfa fa ay oto ñan la c'est Pastef qui avait brûlé un bus tuant deux innocentes petites filles les mêmes barbares aux méthodes lâches et sales méthode lâche ba nga def li ngay def nga daw sale ci jëfin ji ñaaw na ji

après Adji et Aminya est la prochaine femme victime de ces gens violents qui n'ont qu'en lasma, qui n'ont que la haine à donner ils n'ont que la haine à donner voir le militant sauter de joie renseigne à juste titre sur les auteurs et les commanditaires Vous internet comment ils sont contents <coughs> comment ils sont gays les mêmes qui distillent la haine cassent pillent et tuent depuis où depuis qu'ils sont entrés en politique ils ont cassé ils ont distillé la haine distribué la haine dans les cœurs ils ont cassé ils ont pillé ils ont tué Le président avait eu raison de dissoudre ce parti de malfrats qui ne tolère pas la liberté, la démocratie et l'opinion divergente. parti politique le boo qui ni nanguwul ci pour vérifier ko y a demal ci mbedd mi man démb dama taxaw ci rudis bi maa ngi taxaw ak mbay jàll ñuy quelqu'un est venu ah masque la est-ce que mën nga bàyyi Sonko ma ko

tout le monde avait applaudi parce que kenn ku ne sa koñ xoolal rek ki bokk Pastef bu xamee ne Pastef nga bokk dootu lu nuyu quelle que soit la nature des relations yi ngeen amoon démb ak bërki démb mën na la bañ a nuyooti bu ngeen werantee léegi léegi wute ay idée mu saaga la ndey boo xeefee il y y'a un activiste Magnon maa nuyu la sœur Yacine bi dëkk fii mi Maris elle a été agressée violemment ba instant yi un sax problème c'est une sœur activiste la mi ngi ci internet bi dafa am problème billahi ci affaire Pastef ak Benno Bokk Yaakaar agressé donc lii du parti politique ñoom ñi yuxu démocratie au fait xamuñu luy démocratie parce que xamuñu luy divergence d'idées xamuñu luy divergence d'opinions. non ils ont réussi à scinder le Sénégal en deux les patriotes et les traîtres un traître maintenant les Léo pour le pourquoi aucun journaliste de Walf n'a été attaqué L'un de depuis bi ñuy wax ba Mandela attaqué physiquement Nous Salma Salma la attaqué physiquement qui leen kenn koo xamante ni ay jigéen lañu ñuy wax contre le régime de Macky Sall ñu attaqué ko jamais au plus grand jamais même si leur leur opinion diverge mais Monsieur leen gis ñu attaqué leen pour rien au monde parce que nous, chez nous nous tolérons li nga la divergence d'idées nous sommes des démocrates et des républicains chacun a le droit de dire ce qu'il pense on n'a jamais vu Charles Mahou être attaqué jamais on n'a jamais vu Salma on n'a jamais vu Salé ou nangam et pourtant on a une idée On a koy position pourquoi aucun journaliste de Wolf n'a été attaqué pourquoi Yay Ale ou Pat Ale n'a pas été agressé pourtant il ne cesse de tirer sur le régime jamais Benno Bokk Yakarna osé attaquer quelqu'un qui ko xam idée ay idée moro ak idée Même était leur cible car elle ne se soumet pas c'est une journaliste debout Même Ndour a refusé de se soumettre a refusé de se soumettre comme certains sur certains plateaux qui se sont soumis telle une jeune fille donnée en, mariage dans sa première nuit nuptiale. Il y en a qui se sont soumis sans scrupules sans honte aucune, qui ont piétiné sur leurs principes et valeurs. Vient maintenant un autre débat. Ces gens à peine sorti de prison la barbarie commence à l'aube d'une amnistie et ça, en vaut la peine bon nombre de commentaires sont contre cette amnistie et aujourd'hui ces faits viennent crédibiliser les nga qui si dans ce pays quelqu'un ne pas il s'appelle Ousmane Sonko et tous ceux-là qui avaient répondu à son appel. Parce que si on doit dialoguer pour la paix, libérer ces gens, c'est compromettre la paix civile. Parce que depuis qu'il a été en prison, depuis qu'il a été en prison, il a été Depuis qu'il a commencé à les agressions, les menaces, insultes et autres amnistier ces gens, c'est encourager l'impunité et la barbarie. Une loi d'amnistie, moi, encourager la barbarie et l'impunité quel que soit le prix de la paix quel que soit le dialogue l'amnistie mettra un frein à la démocratie à à la justice de ce pays n'oublions pas que ces gens ont trouvé un policier à terre brique le dóor Bobby. Yalla Mofajar. n'oubliez pas que ces gens n'ont pas hésité à brûler la maison de Matarba Yalla Mofajar fa ils ont brûlé la maison d'Antoine Antoine ils ont brûlé les véhicules de d'autrui des centaines de véhicules calcinés une loi d'amnistie va promouvoir li nga xamante l'impunité ils ont fait trop de mal et doivent payer de leur forfait li ñu def musiba ci Sénégal li ñu Sénégalais yi li indi Sénégal ci rupture diggante talib ak de ganta baay ak de ganta mak ak rakam dëkkandoo yi diggante kër ak kër Mbedimi, Cognbi, quartier commune département région Sénégal dans son ensemble les valeurs la morale la réputation tout a été bafoué par ces gens-là aujourd'hui ce qu'on devait faire c'est les traquer tous tant qu'ils sont les mettre hors d'état de nuire sauvegarder la République parce que ni' sont place ni dans la société c'est des barbares ils n'ont pas de place dans la société tu fuis la mort tu fuis le lit d'hôpital il faut dire la vérité il faut oser faire face à cette race de barbares il faut oser parce que nous, nous sommes ni au Sénégal nous sommes au Sénégal quand Diop Taïf sur la sur la RFM tourne ne man agenda bi ma yor nii les ay journaliste ñoo ci nek, turu ay nangam on le laisse partir chez lui rentrer tranquillement chez lui dormir tranquillement donc arrêtez les leaders comme cela a été fait amul ku leader leaderu Pastef ku waroon am liberté ci rewmi. Il n'y la ilaha illa huwa y en a pas dafa am moment yo xamne buñ ci Après doomu adama da ngay mettre len hors d'état de nuire pour préserver les autres et c'est de cela qu'il s'agit dissoudre le parti comme cela a été fait reste maintenant à nettoyer le pays de cette racaille haineuse qui est un cancer pour la République c'est une racaille haineuse qui est un cancer pour la République. xam nga dañu nek ci réew moo xam ni ndeysaan takku yi il passe la journée d'or il y a de cela trois mois il y a de cela un an deux ans des généraux ont été traînés dans la boue des juges des ministres des députés menacés, insultés, des marabouts insultés, menacés, la paix civile, la paix sociale, tous ces efforts consentis pour mettre hors d'état de nuire ce cancer de la République, une loi d'amnistie va anéantir tous ces efforts. Et c'est frustrant. C'est trop frustrant. Plus que frustrant de voir ces gens-là qui ont secoué la vie de la République taxaw même même tey ñi taxaw ne diw ñaanu ko diw bëgg ko Macky Sall moo bëgg wax boobu ñuy wax man ça me fait mal et très mal parce que li waa ji wax ci suuf ñoom xamuñu ko mais li ñuy wax ci kaw li ñu dégg président mënut wax moom mi ngi kaso mënut wax il y en a des gens qui ne peuvent pas parler haut mais ñoom ñooy wax l'opinion nationale nous l'opinion internationale nous ñuy il ne veut pas de l'amnistie te ce que gis avocat am ne Ousmane Sonko wala avocats n'ont pas écrit donc personnellement je suis désolé de le dire mais je suis contre cette amnistie je suis contre jusqu'au bout de ma vie parce que euh, ni ko père Moustapha jaxata di waxee ñi muy maire muy député ñom ñep li leen république bi jox lañu war a nangu téye ko au nom de la république donc live tay bu dugudu bi parce tout simplement amul réew mi ku sa xol neex y en a pas ku sa xol neex do nit billahi ku sa xol neex nit il me dit souvent que ni waa am na diw diw ak diw ak diw ak diw ñooñu dañ leen ci mbedd mi ñuy def naka sa nonu noonu lañ wara def ñay def naka sa nonu noonu ñu def leen ko je parle pas de mort ku de yalla na yalla yeureum nous n'en voulons pas nous voulons pas que nos enfants meurent dans la rue mais ku leen wo ci mbedd mi si vous avez entendu Gigi, bi nga ko déggee ngeen xam les irresponsables sont chez vous ils sont là-bas Guy Marius Sagna vraiment ñu souhaite koy bienvenue dans l'islam Faut du ma ci sol ci parce que aussi lu ñu wax wax wax wax il ne faut pas confondre les deux ku tuub ñëw ci diine moom diine mais politiquement là, vous avez cotisé votre argent des années durant qu'est-ce que vous avez gagné lan ngeen ci gagné lan ngeen ci gagné madame li ngeen doon cotiser lan ngeen ci gagné 400 millions bracelets, 100 millions filles, 200 millions filles, nangam sangam fi lan vous avez gagné quoi dara absolument rien du tout haine nakar, tchono, découragement désolation loolu rek ngeen ci am Pas du ngeen ci am dara xamul tax du ngeen ci am dara parce que du am barké dit, génne comme niko yalla waxé waxee falil waali Boy vous avez gagné, sa wayjur wal aqrabin kune sa bir koñ am nañu feebar ñu yeyoo ñu yëkkati xaalis jox leen moi j'en ai vu ici y en a qui sont malades qui ont besoin juste de cinq millions les gens cotisent des millions qu'ils donnent <coughs> à des gens qui ensuite bon voilà mi non parce que tout simplement vous avez dévoyé li nga xamante mom moy fi xaalis wala jëm boy génné alal ni yalla yàlla waxee ma nga ca bàqara fëlil walidayni joxol sa wayjur ak ñan ñi la jagee al aqrabun ak ñan yataamaa yi miskin yi yatiim yi fofu la xaalis wara dem mais focus damay dajale xaal pour tal ala lu jàmbur damay dajale xaal pour yak pour nas ay pexé yu bonne pour def nangam du ngeen ci am ndam vous allez dépenser vos fortunes vous allez perdre lamentablement vous allez sortir tout petit billahi parce que summa yughlabuun vous allez dépenser votre argent vous allez perdre lamentablement minablement parce que yéene bi Seloul, vous cotisez votre argent vous, rassemblez votre argent pour faire du mal aux autres kon que vous li nga xam ni lu la duut ko Baram, amnistier au nom de quoi et pourquoi en tout cas ñun dey Macky Sall lañu am ñun président Macky Sall lañu am bëgg nañ ko fi bëgg yam mais am nañ droit joxe suñ kaddu bu walee jëf benn jëf ñu gis ay jëf yenen yu woro mu may nañu bayyi xel bu baax nañu déglu yit xam billahi wallahi watallaahi mën na wulu mais le peuple n'a pas confiance en ces gens-là dañ yàqal Sénégalais kon liñ koy ñaan les républicains ñi ak ni ni ku été la gëm nañ Sénégal Sénégal Sénégal c'est un homme de dialogue c'est un homme de paix c'est un homme qui œuvre pour la stabilité de ce pays on le comprend on le sait Mais wa mais dañ koy ñaan lillahi wa cette loi n'a pas sa raison d'être amnistier c'est effacer effacer c'est oublier Qu'est-ce qu'on doit oublier Qu'est-ce qu'on doit effacer Oumou Diallo, l'université Cheikh Ante Diop, les banques, les biens détruits, les bus détruits, le terre détruit, les gens menacés, les gens insultés, les gens violentés. On doit effacer tout cela. man jàpp naa ni réew mi ni, ton ni sauver ñii bàyyi len ci réew mi mooy toroxal réew mi mooy nasaxal réew mi billaahi wallaahi wa ta'ala kon euh donc ñoom baam dafa damay bandi daal donc ñi ngi bàyyiloo xel bu baaxa baax suñu kilifa suñu njit muy président Macky Sall donc <coughs> donc euh, Ah, leneen li mooy ñu yëgal leen ni Sénégal dugg na ci li nga xam ni moom mooy donc ñu bàyyi ci ñi nga xam ni ñoom ñooy ah donc maa ngi ñëw ci laay mujj donc ñu bàyyi xel ñi nga xam ni ñooy soxna Ndeye Amy kamara Qui ni pas ay témoignages qui même Ndour Faye son sourire franc son professionnalisme et son refus de faire allégeance à la meute de fanatiques lobotomisés au Gatsa Gatsa font de même une icône de la presse sénégalaise qu'il faut protéger la première femme PDG de grand médias au Sénégal ne va jamais céder face aux menaces des obscurantistes reviens-nous vite Maimouna, plus fringante et impertinente aux grandes dames

tey jii Maimouna Ndour Faye mën nañu wax ni kenn la ci presse sénégalaise mooy ndaw si nga xam ni moo njëkk nekk présidente directeur général bu maison de presse employé ay góor ay ndaw jël ay nit yow employé woo kenn dama bëgg ngeen wax ma Ousmane Sonko ak Mercalès ak Atlas fu mu mujj qu'est-ce que Ousmane Sonko a créé dans ce pays lu ay ndaw di gën di jël di am xëy rien du absolument rien Merci Alex et Atlas boobu 94 milliards de qu'est-ce que Guy a créé dans ce pays qu'est-ce que El Malik Ndiaye Abbas Fall ces gens-là qu'est-ce qu'ils ont créé dans ce pays absolument rien du tout qu'est-ce que Claire a créé dans ce pays comme comme comme opportunité d'emploi absolument rien dans ce pays Même Ndour Faye a été la première femme PDG Même le mii di wax lu tous donc la première femme PDG d'un grand média au Sénégal du mës a toog du mës a bàyyi du mës a xool wallahi azim di bàyyi ci kanam ñi nga xamante c'est des obscurantistes donc yal na yàlla may ko wér may ko tan e incha allahu taala donc ñu ngi ànd ak moom ci ci ci lépp li nga xamante ni euh, mi ngi noonu donc am na beneen xibaar boo xam ne dikkal nañu euh, donc ku ñuy woowee Cheikh Diop TFM donc voilà donc Cheikh Diop TFM il y a une heure de temps Mohamed tamit victime d'agression son véhicule a été saccagé son ordinateur emporté les faits sont déroulés aujourd'hui devant la devant la 7TV donc mi Cheikh Diop journal TFM la Mohamed victime d'agression son véhicule saccagé son ordinateur emporté donc je yi mi ngi am buntu 7TV euh, donc euh, donc voilà mi

te météo logo bi dégg nga ah? donc nous yëgal aussi euh, en attendant muy kal vidéo yi donc balaa ñuy pare dañ ci wax donc euh, nous on a on a préféré ne pas montrer les images parce que tout simplement image yi dafa nek lo xamni ni euh, lu doy war la lu doyo doy lu doyo doy war la donc motax euh, ñu bari gis nañ ko aussi donc c'est des images qui frappent euh, image la yo xamantini kiko def wax deug yalla te bu ñibé del xol il va dormir tranquillement chez lui bon voilà donc pas tout simplement du ay nit du ñu ay nitu dara donc beneen information bi nag nga xam ni moom lañ bëgg ñëwee ñu ngi ziar ñëpp donc di jaajëfal le ministre de le ministre <laughs> le ministre de l'énergie euh, ngeen baa ma ko tàmm le ministre de l'énergie et du pétrole monsieur Antoine Félix Abdoulaye Abdoulaye Diome euh, demoon na tey ci li nga xamante nii tey ci àjjuma premier bi euh, fan bi jiitu ci weeru mars le Sénégal rejoindre le forum des pays exportateurs de gaz tey jii Sénégal rejoindre na ko ce lié au contexte Sénégal présentement donc ce vendredi 1er mars 2024 marque une étape significative pour le Sénégal qui est officiellement devenu membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz GBCP lors de la réunion ministérielle tenue à Alger précise le communiqué du ministre du pétrole et des énergies euh, Antoine Félix Abdoulaye Diom, créé par accord intergouvernemental le GSF donc comptait 19 pays comprenant 12 pays membres Algérie Bolivie Égypte Guinée équatoriale Iran donc Libye Nigeria, Qatar Russie Trinité et Tobago donc euh, Émirats arabes unis et Venezuela donc avec sept pays membres observateurs Angola Azerbaïdjan Irak Malaisie Mauritanie Mozambique Pérou donc l'intégration du Sénégal en tant que membre observateur porte le nombre total de pays à à 20 donc euh, donc li euh, Sénégal dafa jëm ci li pétrole exploiter pétrole gaz donc tey jii dugg na ci réew yi nga xamante ni mooy réew yi nga xam ne dañu war a dañ nar a dañu war a exporter li nga xam ni mooy pétrole pétrole ak gaz donc mu nekk lu ama am solo loo xam ni dafa jar a bàyyi xel donc voilà mi ngi noonu donc euh, euh, euh, Sénégal nag dafa ubbeeku jamono jii ñu bari indi fit na lañ bëgg ci réew mi nañ def ndànk bu baax a baax nañ xool fi ñuy teg suñu tànk dañuy teg suñu tànk bu baax a baax a baax a baax donc euh, donc faites que vidéo yi donc nous voilà nous déglu Félix Antoine Diop. na bu ah. malheureusement Sénégal dañuy rek situation bi am presse on écoute. Ils auront peur d'être attaqués s'ils expriment leur position. Et ça a commencé à la presse. Je l'ai dit lors de ma rencontre précédente avec la presse internationale. On n'y a pas pris garde, mais ça a commencé en 2019. Si vous avez souvenance de ce qui s'est passé, bonne souvenance de ce qui s'est passé en 2019, lorsque les résultats des élections présidentielles ont commencé par être publiés par certains médias locaux, c'est les bureaux de vote du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui ont commencé d'abord à publier les résultats. M. Sonko était en tête tout le monde applaudissait. Lorsque plus tard, on a vu qu'à l'intérieur du pays, le candidat président sortant, son Excellence Macky Sall, avait des scores énormes, tout de suite une conférence de presse a été organisée pour dire que si ces médias n'arrêtent pas de publier les résultats qu'ils sont en train de lire, allez les attaquer. Et il y a eu, je vais les nommer, il y a eu l'attaque de la radio RFM. Est-ce que nous voulons vivre dans un pays ou si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on est condamné à se taire. C'est pas ce Sénégal que nous connaissons. C'est pas ce Sénégal dont on a... Donc, euh, Yalna Fanam Lol, Tony l'avait dit. Moi, Antoine l'avait dit. Lorsqu'en 2019, le résultat tombait, Ousmane Sonko avait clairement dit que si certaines radios n'arrêtent pas de proclamer les résultats issus des différents bureaux et centres de vote, il faut aller les attaquer. À l'issue, des chaînes, des radios ont été attaquées. Donc aujourd'hui, la violence verbale, physique, le premier commanditaire, le premier auteur, le premier responsable, il s'appelle Ousmane Sonko, qui croupit là-bas au Cap Manuel. Il n'y a personne d'autre. Vouloir l'amnestier au nom de la paix, c'est compromettre la paix civile et la paix sociale de ce pays. Il est le mal. Il est la racine du mal. Il est la racine du cancer de la République qu'on appelle PASTEF ou ex-PASTEF. L'éradiquer, c'est éradiquer le mal. L'effacer, c'est effacer le cancer de cette République. Il faut le soustraire de la vie publique, lui, comme tous ceux qui sont avec lui. Et la démocratie l'exige même. La démocratie, je pense très bien que norme du c'est la liberté. Tant que quelqu'un est là, donc pour foutre le, euh, pour, pour le, le bordel, faut le soustraire de la vie publique. L'honneur de nos forces de défense et de sécurité, l'honneur de nos juges, nos magistrats, l'honneur de nos gestions, tant insultés, tant bafoués, tant menacés, brûlés, donc il faut que nous ñi que mbir mbir mi dañuy na ku ne jël ay ko ci yoon ne jël ay ko ci yoon parce que rew mi au fait mënuñu tek alkaate ci kanamu kenn wuti leen limay may nous limay da ngeen dem wuti autorisation génne ma loolu wuti leen autorisation yor seen fetal yor bal la maanaam na ngeen ko teg ci yoon rek wut seen fetal wut seen bal téye ko dindi ma ko ko nag téye ko ku leen song ngeen ne song c'est tout Lol, qu'est-ce balaa nga maa rey ma rey la Lol, la c'est ça au fait donc maintenant il faudrait que Nini de dellu si revenir sur terre donc lol, moi li nga xam ni bëggoon nañ ko bëggoon nañ ko euh, je pense nit ñi may wax naa ubbi ligne bi mais je pense damay bañ damay bañ mu gudd lool euh, di ñaanal aussi notre sœur Maïmouna Ndour Faye yàlla na yàlla wéral ko yàlla na ko yàlla taxawu bu baax a baax donc may ko wér ak wérle ba mu dellu siwaat na continuer def li mu doon def waxuma ko na faral Macky Sall waxuma ko na faral Benno Bokk Yaakaar parce que invité Benno day toog may Maïmouna day fundu poser ko ay question mais objectivement mais lu ngeen bëgg ku ñëw daal Ousmane Sonko yi way wala am na sikkim bu ñuul fii am na bopp fii bopp bu njolde sikkim bu yi nangam sangam tagg ko jay ko affaire yooyu ngeen ne wooy mel ni boo même doon Ndour Faye doon créer cette TV Ousmane Sonko daa teg brique wala mu raay ciment loolu moo fu mu am même Ndour Faye mu def li muy def Macky Sall tegul ciment président Macky Sall tegul ciment tegul ciment tegul béton Ousmane Sonko pour politicien Sénégal pareil, day ci def li mu def donc Lord dafa am solo ñu leeral ko bu baaxa baax donc euh, il faut aussi mettre des caméras de surveillance chez vous donc kenn ku ne aussi jël ses matukay khizrakum lolou la ne ku ne jël ay disposition parce que nak li bu ginnaaw bu mu xëyee dénk ko borom bi subhanahu wa taala mais jàmm nag yaay jëf li ngay fanaanee donc ces gens là sont partis pour semer le chaos et le bordel dans ce pays soyez prêts loolu kese la donc maintenant euh, li ci des nag moom ñu bàyyi yàlla ñu bàyyi lépp ci loxo yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla def jàmm def tawféex yàlla na yàlla def xéewal Sénégal donc yàlla na yàlla jàppale président Macky Sall wamat ko wan ko euh, li nga xamante ni moom mooy yoonu leer donc euh ñing may wax ni affaire maître Ngagne Demba Touré maître Abdoulaye Mbou placé en garde à vue pour outrage à magistrat violence à magistrat et discrédit sur une décision de justice donc moi, euh, maître Abdoulaye Mboup euh, en garde à vue pour outrage à magistrat parce que les am kérok moy rew mi yakuna man souvent et je sais pas l'état damay jaar ci autour à péage may gis ni que tak un bracelet

on ne demande pas nga takk bracelet Benno Bokk le brasser les passifs. on vous demande d'être un agent de la boo Bon, nga un taxif. il faut interdire ces choses là parce que le défier madame, on est en train de défier la République station essentielle, pareil donc il faut il faut état il faut établir bi le désordre dans ce pays là il faut établir bi comment se fait-il qu'un greffier apprenti greffier élève greffier dañ ñu affecté la nga bayil fi ñu affecté jugé sa poste dem sa yoon djegi dem mali di wax lu la neex di bind lu la neex ba ñibi ci waat nga nek ñu la japp parce que la na greffier la <laughs> sénégal la neex les greffiers jugé fé ñeu dugg ci bi tribunal bi may sa to ci liggéey liggéey nga do ko liggéey <clears throat> fo le dégommer fo le dégommer il y a beaucoup de bacheliers qui sont là bu ñu leen formé nekk ay greffiers. réew mi ku fi nekk nekk ci benn poste dof dof lu dégommé la yaa xam ngay jàngale yaa xam nga ne greffier yaa xam loo doon c'est tout donc mais bu ñu fi nekkee fii di di laam-laam di di raay raayal quelqu'un qui se mais là taxaw sagan nday président de la République il rentre tranquillement chez lui mais ça loolu loolu dafa ñaaw donc euh, dafa am juste xibaar bu may xaar rek donc mi ngi noonu <coughs> donc ñu déglu Barthélemy après donc ñu ñu tëj direct bi incha allah. mu am ay nit ñu dans un parti qui a été dissous taxaw di ko bëgg a weddi ñoo dul wax dëgg. les gens sont en train de dialoguer pour ne pas dire en train de dealer loolu moy wax ci. c'est l'affaire n'est pas n'est pas personnelle monsieur le maire. parce que dama né dama bëgg dama bëgg mais dama ne l'agression de soupçon waaw am na ñoo ñoo ñoo ñooy ñooy sànni benn message. sax wax na la ba attaquer 24 heures chrono à classe ken togul fi di lam lamé ko ko def. ma nga wax ci leer ba ñuy dóor tàll si laa fii ay marteau hmm. ken taxawul fi di lam lamé ñan na ko def. Maïmouna Ndour Faye ñu ñuko ñu ko tout le monde sait cette attaque vient d'où

de grâce, on vous invite à faire preuve de sérieux, c'est tout. Mm -hmm. Parce que lu ngeen di fooyee ni, fu mu jëm ndox amu fa. Mhm. fu la preuve tey Maimouna Ndour yàlla sax suturaal na ko ba. Euh, elle est stable. Mhm. waaw su fi jaaroon ñàkk bakkanam. lan la wax parce a perdu beaucoup de sang. su fa la dernière wax. Mhm. dañuy taxaw fii parce que soi-disant on a peur de dire qu'elle est à l'origine de ça tout le monde sait qu'elle est à l'origine de ça. pourquoi vous semblez être si catégorique parce que man. donc. Euh, li moy li nga xamni ni bi nga xamni suma maire bi ñom yaara femme ñoom Barthélémy Dias ndeysaan dem nañ këram di ko jàppale c'est une leçon hein c'est une leçon pour ceux-là avec qui il parle actuellement auparavant mi Dias mo nekkoon doomu ndayam mam jaara femme mo nekkoon yaayam ils l'ont allaité ils l'ont couvé ils l'ont vu grandir dans le mensonge la haine ils l'ont appuyé dans son indiscipline notoire et caractérisée il riait derrière alors que lui appelait à l'insurrection il mentait ouvertement sans scrupule il piétinait les règles du bon vivre ensemble il marchait comme ça, dans la société. Comme quelqu'un qui est, voilà, donc, qui, qui est soustrait de la justice de ce pays. Aujourd'hui, entre lui et Barthélemy, nous, Mamdiara Femme, la fois dernière, a subi les atrocités de lex On l'a traité de tous les noms d'oiseaux si page Facebook. Je vais commentaire. Aujourd'hui, c'est même une faille. Si Matéfal était au Sénégal, elle allait subir la même chose parce que tout simplement même nañ même le Ndour moi mooy Anita Diop ils l'ont dit ils l'ont théorisé wax ko donc tey réew mi une la responsabilité effacer la racaille de la scène publique wallahi mo fi nek billahi sino fiñ jëm ndox amu fa donc suñu jigéen may ma Ndour fay ngeen di gis noonu nday saam yu ataaya ci reeju neex ji reej yi ku nak ya xam parce que mekte lay dund mekte lay dund c'est-à-dire elle vit la gaieté la joie il y en a qui ne vivent que de la haine xol bu naqari xol bu bon il ne rit pas li lañu dund tek atayam yor entreprise am di liggéey di fay ay góor ni yaw ak ay jigéen ni yéen yéen fayu lu len ken leen kenn wu len ken da ngeen di cotiser di yàq di échouer di mere nit ñi di mere ku len defu dara c'est-à-dire vous incarnez une perte et un gâchis pour la, et pour la société, et pour ceux-là qui vous ont, qui vous, qui vous ont, qui, qui, qui vous ont vu grandir. Parce que, rew mi ñu nek bu Sénégal bu ñe jàngi école ngeen saboter école bu ñe tribunal ngeen saboter manam vous êtes des parasites qu'on le veuille dire ou qu'on veut le dire ou pas amnistie xétu nit yi moi moy piétiner la République dans son sens global donc chers députés la balle est dans votre camp donc même si ci reeju neex ji la donc voilà donc euh, inshallah. nous avons euh, amoon nañ mbégte lol man mom sen menaces yi ngeen bind ni bu ngeen xamone fi donc am ben numéro c'est pas ce n'est même pas la peine nga koy may buzz donc voilà man mo limako wax leer na xam fi ma deuk donc mi ngi noonu euh, amoon nañ mbégte lool euh, feggoog yeen tay ci direct bi inshallah donc suma ma on a fait je pense une heure de temps voilà donc on voulait ouvrir le micro mais on va attendre inshallah d'ici demain inshallah allahu taala sant nañ leen gërëm leen wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di jéggalu ñëpp nak baal nañ ñëpp ngeen jëf depuis le 1er janvier 2020, Seno est en charge de la production et la distribution de l'eau dans les zones urbaines et périurbaines du Sénégal. Seno, l'excellence pour le Sénégal, une référence pour l'Afrique. Une vision qui se décline sous six axes stratégiques. Donner l'accès à l'eau à tous. Assurer un service d'excellence. Garantir une performance durable faire rayonner le service de l'eau grâce au centre d'excellence, réduire notre empreinte environnementale et énergétique, accompagner la carrière de tous, surtout celle des jeunes et des femmes. Après seulement trois ans d'existence, le défi d'une eau de qualité en quantité suffisante a été relevé grâce aux innovations mises en place par la CNO et aux nouvelles infrastructures portées par l'État du Sénégal. 98% des Dakarois sont alimentés 24 heures sur 24 avec 260 millions de mètres cubes distribués en 2022. Seno, c'est une exigence. Nos équipes ont relevé le défi de la qualité avec une surveillance continue de la ressource au robinet des clients pour le respect des normes de l'Organisation mondiale de la santé. Le laboratoire mobile Seno de Ziguinchor a rendu autonome la partie sud du Sénégal pour garantir la surveillance de la qualité de l'eau. Tous les ans, plus de 15 000 échantillons d'eau sont prélevés et analysés sur l'ensemble du Sénégal avec un taux de conformité en bactériologie de 98,8% et en physico-chimie de 99,7%. L'eau est la denrée la plus contrôlée au Sénégal. Seno, c'est l'innovation grâce au déploiement de deux outils d'aide à la décision. Au point B, pour la supervision de tous les sites de production et du transport d'eau du Sénégal. À Anne, avec le centre Visio, pour la gestion de tous les réseaux de distribution. Grâce à la régénération de plus de 90 forages pour un gain de 15 millions de mètres cubes en 3 ans grâce à la refonte de l'usine des eaux du point B avec le renforcement des pompages vers les mamelles, le renouvellement et l'installation de nouvelles vannes stratégiques pour assurer la maintenance sans arrêter l'usine, la sécurisation de l'alimentation électrique et grâce à ces innovations, le niveau de disponibilité des usines a ainsi atteint 98,8%. La relation clientèle continue sa transformation avec Arsène qui a permis de digitaliser la relève, géolocaliser les compteurs, rendre plus accessible le paiement de factures, co-construire avec les associations de consommateurs la nouvelle facture plus simple et facile à comprendre, développer une agence clientèle 100% digitale, Nofly, avec la modernisation des agences de Yoff, Kaolac, Petite Côte et l'ouverture d'une deuxième agence à Rufisque. L'enquête de satisfaction réalisée montre que 82% des clients boivent l'eau du robinet et 62% sont satisfaits de la qualité de service fournie par Seno. Seno, c'est l'excellence. Grâce à notre centre d'excellence, nous sommes un partenaire engagé pour accompagner les universités sénégalaises à travers la recherche notamment sur la qualité de l'eau du lac de Guière, soutenir les acteurs majeurs de l'écosystème start-up, participer à des travaux scientifiques pour la préservation des ressources. Seno, c'est l'avenir. Depuis février 2021, une formation diplômante et gratuite a été lancée, le CAP canalisateur réseau eau potable, en partenariat avec le CSFP BTP de Diamniadio et le 3FPT, l'école des plombiers, ambitionne de former d'ici 2025 250 jeunes de 15 à 20 ans, peu qualifiés, en abandon scolaire et sans distinction de genre. Chaque jour, c'est 1200 Djamba, des partenaires techniques et institutionnels qui font de Seno l'excellence pour le Sénégal et une référence pour l'Afrique. Seno, haut du Sénégal.